tous ces hommes politiques qui incarnent un espoir, espoir de tout un peuple, espoir de beaucoup de personnes. N'éliminons personne. Tous ces hommes politiques providentiels que Dieu envoie dans le champ, dans la vigne de ce pays, dans le champ de vigne de ce pays, donnons-leur la chance de se présenter. Et Dieu choisira celui pour qui nous allons voter. Il choisira parmi eux. Il a un candidat de son cœur, le candidat qui fera porter beaucoup de fruits au Sénégal, des fruits de paix, de justice, de développement, de santé, de bien-être, de bonheur. ngela bu ñu xañ suñu bopp suñu wërsëg ndaxte yàlla daf ñu wërsëgal réew mi yàlla daf ko sopp niki garabu biiñ ci bind yu sell ci bible bi garabu biiñ moo nekk garab gi yàlla fonk